Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir également. Quand les réseaux sociaux légitiment souvent les actions illégales, c'est le thème que nous allons débattre dans le forum de ce soir. Et pour en parler, quoi de plus normal d'avoir dans les locaux du studio Skalangu, juste pour vous, Monsieur Touré Boubacar, acteur politique de la scène nigérienne, Mossi Mukaila, président de l'association des jeunes diplomates et politologues, grand observateur de la scène politique nigérienne et je dirais même de la sous-région ouest africaine. Chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Le constat avec l'actualité de la sous-région est le suivant. Quand il y a une tentative de coup d'État, par exemple, certains internautes commencent par justifier cette action, qui, à la base, est illégale mais avec le temps, commence par avoir une certaine légitimité et surtout et souvent sur les réseaux sociaux. Ben, comment est-ce que on arrive à expliquer cela, Monsieur Touré Boubaka, vous qui êtes acteur politique, comment est-ce que vous expliquez cela Bonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs du studio Kalangou. Comment justifier cela Je dirais plutôt, euh, je demanderais de ne pas exclure les réseaux sociaux de comment on appelle ça, de l'environnement social par essence, comme on dit. Euh, les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce que peuvent penser euh, les composants de la société, en l'occurrence la, la, jeunesse ici. Mm. Euh, quand on prend le, cas de la jeunesse, elle est la composante la plus majoritaire de, nos populations. Ici au Niger, 70% des, des jeunes ont moins de 30 ans. Et cette composante-là est naturellement euh, comment on appelle ça, anti-système. Et quand ils sont anti-système, ils n'y croient plus aux canaux officiels de communication ou d'information. Ils puisent toujours leurs informations euh, sur les réseaux sociaux où ils se sentent plus libres de s'exprimer et facilement tu peux dire ce que tu penses à partir de ta chambre, à partir de euh, ta fada. Maintenant, quand on prend le cas de, l'actualité, que vous avez pris l'exemple des coups d'État, il faut peut-être retourner à, au historique des, des coups d'État. Moi, j'observe que nous sommes dans la troisième phase pour, euh, comment on appelle ça, s'accommoder des termes actuels du monde. Dans le cadre de la Covid-19, on nous parle des nombre de vagues. Mm. Nous sommes dans la troisième vague, je dirais, des coups d'État. <laughs> parce qu'il y a eu la première vague qui était les coups d'État néocoloniaux. On sortait de, comment on appelle ça, de, la période des, indépendances, où l'ancienne métropole avait permis à certains de nos compatriotes d'avoir les rênes du pouvoir. Et chaque fois que tu ne faisais plus l'affaire de, de ce ancien euh, acteur, et euh, comment on appelle ça, euh, puissance coloniale, il utilisait d'autres mécanismes pour débarquer ceux qui étaient là. Ensuite, on est arrivé dans les années 90 où euh, c'était devenu vraiment les coups d'État que moi je qualifierais de néo-capitalistes, parce que c'était des coups d'État qui étaient plus favorisés par des acteurs économiques qui, chaque fois que euh, euh, leurs intérêts économiques étaient menacés, également utilisaient ce, canal-là pour changer de régime au profit de X ou de Y. Et à partir des années 2000 à aujourd'hui, on peut quand même, comment on appelle ça, louer les, les, effets du protocole additionnel de la CDAO de 2001 qui a permis de, de, comment on appelle ça, de rétablir une certaine confiance de tous les acteurs dans le processus démocratique. Mais malheureusement, euh, vous, me, vous me permettrez l'expression, euh, on est arrivé à une période où nous sommes dans ce que moi je vais appeler euh, une démocratie frélatée qui sent euh, l'odeur de mauvaise gouvernance, euh, de corruption et de toutes les dérives qui s'ensuit, qui font que euh, les acteurs politiques sont en train aujourd'hui d'ouvrir la voie à nos armées qui, la plupart du temps dans nos pays, sont l'organe le mieux structuré et celui qui se sent aussi le plus responsable de rétablir l'ordre quand le désordre est annoncé. Mm. Donc, en quelque sorte, pour me résumer, je dirais que cette adhésion politique populaire ou de la jeunesse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, n'est que euh, la résultante de la mauvaise gouvernance dans laquelle nous végétons. Et puisque les gens ne croient plus au système, il faut, euh, comment on appelle ça, aller vers ces nouveaux outils que nous avons, qui sont les réseaux sociaux, pour s'exprimer et, montrer son adhésion à ce que vous, vous êtes en train d'appeler action euh, mais que eux estiment que ce sont les actions illégales qui viennent interrompre d'autres actions illégales. C'est en quelque sorte la force qui arrête la force. Pour euh, éviter qu'on tombe dans un forum frelaté, ok, on va reprendre depuis le début, Monsieur Mossi. Comme l'a dit, enfin, Touré vient de le dire, les jeunes aujourd'hui, la plupart n'y croient plus au système. Du coup, ils croient plus aux canaux officiels. Les canaux officiels continuent d'informer. Et pourtant, leur information est euh, je dirais, dominé par ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et conclusion aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas assumer dans la vraie vie, on l'assume pleinement sur les réseaux sociaux. Bah, comment est-ce qu'on justifie cela euh, Merci Olivier. Euh, merci aussi à, à l'ensemble du personnel du studio Kalangou. Je pense que je vais directement répondre à votre question parce que mon collègue, mon frère ici, a fait déjà une chronologie des facteurs ayant favorisé le coup d'État aussi dans la sous-région. D'autant plus qu'on a un destin commun, comme euh, on a l'habitude de le dire. Donc, euh, je pense que euh, ce que vous venez de dire, il faut d'abord comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse ou bien la population voit les canaux officiels d'information comme un reflet de l'État. Vous comprenez quand on parle de télé Sahel, par exemple, ou bien même les autres chaînes télévisées ou radio, aujourd'hui, euh, la population n'a plus confiance à ces canaux euh, parce que pour une raison qui est très simple aujourd'hui, c'est que ils pensent que l'information est très censurée dans ces canaux officiels. Mais par contre, comme l'a bien euh, mentionné mon, frère ici, Touré, les réseaux sociaux aujourd'hui constituent ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les cinquièmes pouvoirs. Cinquième pouvoir parce que je ne peux pas assimiler ça aussi à la presse. La presse constitue aujourd'hui le quatrième pouvoir, après le pouvoir euh, exécutif, judiciaire et législatif. Aujourd'hui, la presse, c'est le quatrième pouvoir et les réseaux sociaux constituent le cinquième pouvoir. Euh, parce qu'aujourd'hui, on voit euh, très bien que ce qui, ce qui passe rapidement et le plus simplement possible, c'est l'information, ce sont les, les, les données qui passent sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans un monde planétaire, euh, dans un village planétaire, comme on a l'habitude de le dire, avec euh, le système de mondialisation. Donc, ce qui, ce qui, ce qui se passe ici au Niger peut automatiquement ou bien rapidement avoir de l'ampleur dans d'autres pays mm. de la sous-région. Donc, je pense que c'est ce qui peut expliquer un peu la méfiance des jeunes vis-à-vis des canaux officiels de. Euh, euh, des Donc, si vous expliquez aujourd'hui euh, cette, situation par la défiance que les jeunes en particulier ont vis-à-vis tout simplement de, certains médias officiels par les voies officielles, on se dit bah, où est-ce que nous allons ben, On continue quand même le débat. Et dans les situations des crises euh, sécuritaires, le retournement de situation à travers des faux communiqués sont-ils une stratégie C'est la question qu'on se pose parce que dans la semaine du 23 au 30 janvier 2022, par exemple, des faux communiqués émanant de la junte militaire ont été publiés sur les réseaux sociaux, ben, on se demande, y a-t-il pas un peu de désordre informationnel qui est en place euh, actuellement Mais Bien sûr. En fait, moi j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, euh, celui qui maîtrise la communication maîtrise ou bien gagne la guerre, en fait, gagne les terrains. Parce qu'aujourd'hui, tout est lié à la communication. Surtout, pas n'importe laquelle, mais la communication sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Euh, je, je l'ai dit dans mes propos, nous sommes dans un monde, en tout cas, qu'on qualifie de village planétaire. Vous comprenez ce qui s'est passé par exemple au Mali, euh, au Burkina. Ça donne un peu de l'appétit pour euh, les jeunes des autres régions qui souffrent du même problème, du même, euh, en tout cas, qui ont le même destin que ces pays. D'accord. Et pour préciser aujourd'hui, si ces, fake news, ces fausses informations prennent, c'est parce que aussi, bah, on remarque que bah, d'une manière ou d'une autre, les gens limitent vont à la provocation sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, du, du, 23 au 30 janvier, bah, des fausses nouvelles venant du Mali ont, très vite circulé, on a l'impression. Non, Olivier, euh, c'est-à-dire que si on ramène euh, la question des mm. fake news mm. au niveau de la jeunesse, je mm. crois qu'on va se tromper d'analyse. Parce que on est. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont le moteur de, de. Ils, sont, ils, sont, ils sont le moteur, mais ils ne sont ni les producteurs, encore moins les bénéficiaires du résultat de ces fake news-là. Mm. Ils sont peut-être le moteur, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'ils sont la cible vulnérable qui puisse euh, relayer encore davantage. Mais ce qui est important à savoir ou à notifier, c'est que nous sommes rentrés dans une phase après de, euh, comment on appelle ça, des années 90 à aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase où le soft power est en train de prendre le dessus sur tout le reste. Mm. Si vous vous rappelez très bien, la guerre de la guerre du Golfe, c'est d'abord CNN qui a permis qu'on pense que les États-Unis a gagné la guerre du Golfe. Tout récemment, moi j'ai eu la, chance d'être dans des pays euh, du Maghreb pendant le printemps arabe, mais c'est exclusivement Al Jazeera qui a été le moteur de, comment on appelle ça, de, de, de, la flambée de toutes ces contestations de pays en pays où on avait l'impression que c'était un château de cartes pour des pays qui n'avaient pratiquement rien à voir, mais qui peut-être il y avait des similitudes des situations. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes rentrés dans une période où, que ce soit euh, des puissances étrangères ou des puissances économiques qui peuvent avoir chacun son intérêt et aussi un acteur à ne pas négliger dans la production et dans la diffusion de ces, de ces fake news. Donc euh, là, vous êtes en train de nous rappeler qu'il ne faut pas seulement faire une fixation sur les jeunes qui partagent et qui commandent ces fake news, mais aussi de, de, réfléchir à l'origine de ces fake news. Tout à fait, parce que ces jeunes-là, la plupart du temps, quand vous prenez le cas des communiqués, aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver des jeunes qui puissent vous faire des communiqués dans un format, euh, comment on appelle ça, officiel. Mais quand ces communiqués la sortent, ils sont euh, l'essence ou le carburant, si je peux dire, qui fait en sorte que la machine roule, puisque c'est la masse critique de nos populations. Hmm. Donc, ils sont plus le vecteur, ils sont parfois même les victimes de la chose, mais ils ne sont ni au départ, encore moins à l'arrivée de, de, cette situation de, de, fake news. Alors, sur, oui, tu as envie d'ajouter quelque chose En fait, c'est, c'est pour rappeler que hier seulement, j'ai vu euh, un communiqué de France 24 sur leur page. Hmm ils expliquent comment, par exemple, la Russie est en train de manipuler euh, la population. Justement, parlant de manipulation. Oui, justement. la, prochaine question va te permettre de faire ce développement parce parce qu'on constate que sur les réseaux sociaux en général et en politique surtout, on a du mal à reconnaître la limite entre l'information et la manipulation. Alors, on se demande d'abord, est-ce que cette limite, elle existe toujours euh, je ne pense pas. Ok, allez-y. Euh, je ne pense pas, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très rare de mettre une limite à cette question de manipulation, parce que non seulement vous comprenez que ça, ça devient une stratégie pour non seulement les puissances, les médias et tous les acteurs politiques aujourd'hui. Parce que rien que hier, je, voulais parler de ça, je, je, suis tombé sur un article de France 24 qui explique que c'est la Russie qui est en train de manipuler la jeunesse du, du Sahel pour monter euh, cette jeunesse contre la France et, gagner du terrain. Donc, euh, c'est comme si on est à un jeu de, comment on appelle ça, dans un jeu de géopolitique, conquérir l'espace sahélien. Donc, vous comprenez un peu. Mais aujourd'hui, je moi, je me dis que, bon, même si tel est le cas, euh, je pense que c'est vrai. Pour d'autres, c'est mauvais. Mais moi, je pense que dans un jeu de relations internationales, c'est tout à fait normal de trouver le moyen euh, comment on appelle ça, les moyens qu'il faut, parce que Machiavel le disait, tous les moyens sont bons pour euh, parvenir à sa fin, n'est-ce pas Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit faire juste tout simplement attention. On doit faire attention. On doit aussi trouver les moyens, si c'est vrai, hein, si ça s'avère vrai, on doit trouver les moyens de contrecarrer ces, actions. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas aussi, comment on appelle ça, limiter ou bien censurer les réseaux sociaux et tout, parce qu'aujourd'hui, ça, ça, fait partie aussi du, euh, des droits des citoyens aujourd'hui de naviguer sans limite sur les réseaux sociaux. Alors, tout de suite, vous avez dit c'est de bonne guerre. Ce qui est important à savoir, c'est que euh, dans cette situation, il est important que les jeunes comprennent qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Il y a des enjeux qui sont euh, au-delà de nous, les problèmes que nous pouvons avoir à l'interne ici il y a ceux qui ont des intérêts aussi chez nous, qui chacun euh, fait ce qu'il peut pour défendre le mieux ses intérêts. Est-ce que vous pensez que ce problème de communication nous dépasse justement Non, ce n'est pas tant le problème de communication qui nous passe. La communication, par essence, mm. elle est faite pour rediriger l'opinion vers vous, votre intérêt. Vous qui êtes le communicant. Donc, à partir de cet instant, moi, je ne, je, je, je ne m'aventurerai pas à dire que c'est une manipulation. Mais c'est peut-être plus, euh, comment on va dire, une appropriation de notre façon de voir le monde. Voilà de quoi il s'agit en réalité. On essaye, chacun de son côté, de conditionner notre conscience, la conscience de la jeunesse africaine, pour penser euh, parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit, euh, si je vais, comment on appelle ça, à partir de l'exemple de, de, mon cher Moussi, France 24 qui nous interpelle sur une éventuelle manipulation d'une autre puissance. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la source la plus fiable que euh, les habitants des pays francophones, si je peux le dire, prennent, c'est France 24 et RFI. Pourquoi Parce que depuis tout le temps, ça a été cette puissance-là qui a utilisé cet aspect de soft power pour conditionner D'abord, ils ont profité de, comment on appelle ça, la barrière linguistique que nous n'avons pas avec eux pour conditionner euh, les consciences de la jeunesse africaine. Donc, à partir de cet instant, un jeune africain est plus enclin à croire à une information qui vient de France 24 qu'une information qui vient d'une tierce comme euh, comment on appelle ça, euh, d'un tiers média d'une autre puissance. On se demande aujourd'hui bah, où est-ce que on va si la situation comme, euh, comme elle est est en train de perdurer et on se demande concrètement aujourd'hui est-ce qu'il y a encore une limite entre informer et manipuler Si oui, cette, cette limite existerait. Comment est-ce qu'on peut reconnaître cette limite-là Moi, je poserais plus le problème en termes de pourquoi est-ce que nous sommes dans cet état de fait. Tout est parti de la rupture de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une question de mauvaise gouvernance. Une fois que la gouvernance sera rétablie, que réellement cette démocratie qu'on nous chante depuis 30 ans aujourd'hui se remet en place et fonctionne normalement, ce problème dont on est en train de parler est facile à juguler parce que c'est une question aussi d'éducation et de culture. Mais quand dans un pays, le système éducatif est complètement en perdition, quand dans un pays, euh, il n'y a plus de, comment on appelle ça, de repères en termes de, de, valeurs, en termes de, vision collective, je dis que nous sommes enclins à dépasser cette limite entre l'information et la manipulation. Donc, nous facilitons, nous sommes dans un terreau qui facilite la manipulation au lieu de l'information. D'accord. La confiance, l'éducation et la culture sont pour toi aujourd'hui les trois bases, en tout cas, sur lesquelles il faut travailler afin d'éviter d'être manipulable, si je peux le dire. Alors, selon plusieurs internautes, les coups d'État sont suivis des reculs démocratiques sur plusieurs points, comme par exemple les libertés individuelles, le fonctionnement des, des institutions et même sur le plan économique. Monsieur Moussi, avez-vous l'impression aujourd'hui que les gens qui alimentent, les jeunes surtout, qui alimentent les débats, sur les réseaux sociaux, sont-ils conscients de ce genre de, de, recul euh, Je ne pense pas. Il y a un problème qui, est là. Hmm. Vous comprenez, aujourd'hui, les gens, il y a une crise, une, véritable crise de la démocratie aujourd'hui. La démocratie aujourd'hui est perçue comme, euh, en tout cas, quelque chose de mauvais, quelque chose de péjoratif pour nous. Alors qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est lié à la, à la, méconnaissance de la démocratie par le peuple. C'est ce qui, euh, ce qui complète ce que mon, frère a dit, Touré, la question de, l'éducation. L'éducation aujourd'hui, nous sommes dans un système... Il a parlé de confiance, éducation et de culture. Justement, nous sommes dans un système hmm. éducatif qui nous, qui, qui nous éduque pas. Vous comprenez moi, je parle de l'éducation, en tout cas, ça ça ne doit pas être cette éducation qu'on nous a enseignée depuis les années euh, avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a aucun changement, en fait, un changement majeur, il n'y en a pas eu. Donc, moi, je pense qu'on doit revoir notre système éducatif. On doit enseigner aux gens, en tout cas, les véritables, les véritables, hein, les véritables euh, valeurs de la démocratie, les, les conditions d'une bonne gouvernance qui, qui sont aussi inclus dans la démocratie, puisque la démocratie, par essence, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence dans la gestion des affaires collectives. Et aussi, c'est un même pain pour tous, c'est, euh, comment on appelle ça, une, euh, les droits d'aller et venir, c'est la justice pour tous, en, fait. Donc, moi, je pense que la démocratie, euh, c'est pas la démocratie qui, qui, est notre problème, mais plutôt c'est la façon dont la démocratie est faite et aussi appliquée dans notre pays par des gens qui qui veulent que comment on appelle ça, cette, cette démocratie soit à leur euh, avantage par rapport au, peuple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le, plus important, c'est d'enseigner cette démocratie aux gens, au peuple. Vous comprenez Aujourd'hui, vous voyez comment le peuple est en train de, se trouver dans une nostalgie du régime de Kunti, par exemple. Le régime de Kunti, nous savons que ce n'était pas un régime démocratique, mais plutôt du fait qu'il euh, y avait une justice collective qui régnait à son temps, les gens préféraient se retrouver dans un régime de Kunti, mais avec une justice. Vous comprenez Donc, moi, je pense qu'il y a des aspects qu'on doit revoir. La question de justice, très, justice sociale, c'est très important. Si aujourd'hui, vous savez que euh, en cas d'un problème avec l'autre, vous partez à la justice, vous serez euh, mis dans vos droits. Donc, si vous avez tort, vous allez tort, vous allez avoir tort. Si vous avez droit, vous allez avoir raison. Donc, les gens vont avoir confiance, les gens vont, euh, comment on appelle ça, souhaiter en tout cas euh, une consolidation ou bien participer à la promotion de la démocratie. Mais si vous savez que la ne peut pas régner, il la justice dépend de qui vous êtes, de combien vous amenez. Donc, là, ça serait un véritable problème. Donc, vous comprenez un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de peuples, beaucoup de, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup des Africains, aujourd'hui préfèrent euh, se retrouver dans un régime dictatorial parce qu'ils pensent que ça ne va pas, la démocratie a échoué. Alors qu'ils ne savent pas concrètement ce qu'est la démocratie. Et les gouvernants ne prennent pas la peine, le soin d'expliquer concrètement ce qu'est la démocratie. Parce que quand le peuple saura c'est quoi la démocratie, les, droits et tout, ça serait une sorte de contre quoi pouvoir contre pouvoir à, son égard. Mm. Donc le gouvernement préfère rester, préfère laisser le peuple de l'ignorance pour pouvoir le, gouverner à sa guise. Et puis on connaît la suite, on est dans un système qu'on appelle la politique des ventres avec euh, un penseur, le Jean-François Bayer, qui qualifie les politiques africaines de la politique des ventres. Alors, on, va avancer. pour se servir et non pour servir les peuples. On va, on va avancer, si vous permettez. Oui, oui on va avancer, mais si vous me permettez, mm. euh, je vais vous surprendre en prenant le contre-pied de, mon cher Moussi. Parce que la, la, la question qui développe, mm. moi, je ne suis pas d'accord qu'on mm. soit dans une euh, période de recul démocratique. Euh, pour permettre à nos auditeurs de, de, nous suivre, je reprends un peu la question, c'est-à-dire que selon plusieurs internautes, les coups d'État sont suivis de, de recul démocratique. Plusieurs points par exemple les libertés individuelles, le fonctionnement des institutions et même sur le plan économique, on recule. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les gens qui alimentent les débats sur les réseaux sociaux sont conscients de ce genre de recul C'était ça la question. Oui, c'était ça la question. Hmm. Mais moi, ce que j'ai dit, hmm. c'est que euh, on ne peut pas parler de, recul politique ou démocratique, encore moins de recul économique, par rapport à l'évolution que nous sommes en train de voir des années 2000 à aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que en 2008, en Mauritanie quand il y a eu le coup d'État de Mohamed Abdelaziz euh, contre le, président démocratiquement élu, le peuple était sorti pour contester ce coup d'État-là. Parce que le peuple voulait aller vers une démocratie. Et c'est ça qui avait contraint la junte en son temps dans des négociations à Dakar avec l'opposition pour revenir à un régime euh, entre guillemets démocratique. Ici, tout récemment, en 2010, quand il y a eu le coup d'État de, de Salou Jibo, on a été obligé d'aller dans une négociation de toutes les forces vives de la nation pour arriver à un consensus pour mener une euh, transition relativement courte et revenir. J'ai envie de dire que tous ces mouvements-là, euh, je vais peut-être paraphraser euh, le président Poutine quand, à l'occasion d'une de ses interviews, il y a une journaliste qui lui a demandé est-ce qu'il ne regrette pas ou est-ce qu'il n'est pas nostalgique de l'URSS. Il lui répondait que aujourd'hui, euh, ne pas rêver de l'URSS, euh, c'est ne pas avoir de cœur. Et vouloir revenir à l'URSS, c'est ne pas avoir de raison. Hmm. C'est dans ce même état d'esprit que toutes les jeunes qui sont en train de s'installer sont aujourd'hui. Vouloir nous imposer des régimes militaires, c'est vraiment ne pas avoir de, de, raison. Et vouloir également laisser tout ce qu'on est en train de voir en termes de gouvernance, euh, le périclitement de, nos pays euh, sous le fait de, les menaces euh, sécuritaires, économiques, euh, la pauvreté, les famines qui sont là, j'ai dit, je ne suis pas d'accord qu'on qualifie cela de recul démocratique. Aujourd'hui, aucun militaire ne prendra le pouvoir et penser faire une vingtaine d'années au pouvoir. Ce n'est pas possible. Parce que les peuples se dresseront contre ça. Quand vous voyez des adhésions populaires à des, à des coups d'État, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a espoir de rétablir la démocratie à laquelle eux, ils aspirent. Ce n'est pas tant qu'il y a un défi à la démocratie, mais les gens en ont marre des pratiques démocratiques dans nos États telles qu'ils sont faits aujourd'hui. On va avancer et on revient toujours au Niger. On est toujours au Niger. Au Niger, par exemple, les contenus des informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont réglementés, cadrés par une loi sur le cybercriminalité. Mais malheureusement, Touré Boubacar, cela n'empêche, les fausses nouvelles continuent de circuler. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher Les deux, dans les deux euh, sens. Tout à l'heure, Moussi l'a évoqué. Mm. C'est la question de la justice sociale. Aujourd'hui, si moi, euh, Touré Boubacar, je, vous diffame euh, sur les réseaux sociaux parce que votre tête ne me plaît pas, si je suis, comment on appelle ça, bien positionné, comme on le dit, quelle que soit votre plainte, ça ne prospérera pas. Si aujourd'hui Moussi se fait diffamer et que de l'autre côté, lui, il porte plainte, on vient vous prendre dans les heures qui suivent. Voilà de quoi il s'agit. La question de la justice est fondamentale. Fidel Castro disait, dans un pays où règne l'injustice, même les morts ne se reposent pas en paix. Il est fondamental, la démocratie, la base de la démocratie, c'est la justice. Ce pilier-là, quand il ne marche pas, quand il n'est pas pratiqué dans les règles de l'art, nous sortons du cadre démocratique et nous ouvrons la voie à toutes les dérives que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le cadre réglementaire et juridique existe, l'application ne suit pas. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez parlé de dérives et puis je vais continuer de la insécurité, coup d'État, recul démocratique. Ces pratiques contraires aux lois sont d'actualité dans la sous-région ouest-africaine et visiblement l'opinion publique présente sur les réseaux sociaux ne trouve aucun inconvénient à légitimer cela. Comment les réseaux sociaux légitiment-ils les actions illégales C'est de cela que nous parlons dans le forum de ce soir et nous avons au plateau Touré Boubacar, il est acteur politique. Mossi Moukaïla, il est président de l'Association des jeunes diplomates et politologues, observateur averti de la scène politique nigérienne et je dirais même ouest-africaine. Le débat continue avec nos invités et nous allons nous pencher sur une question qui est la suivante. C'est une question d'avenir. On se demande aujourd'hui si la tendance, cette tendance que nous vivons, si elle évolue pour les influenceurs et internautes, qu'est-ce qu'on peut recommander afin d'avoir un espace digital sain également pour échanger dans une euh, perspective de construction Qu'est-ce qu'on peut recommander Parce que euh. on est tous d'accord, unanime sur autour de cette table-là que ça va pas. Au moins, je sais que sur ça, on est d'accord. <laughs> ça ne va pas. Moi, je pense que les recommandations euh, mes recommandations mm. sont plus euh, euh, tournées vers le gouvernement. Mm. Le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour d'eux. Euh, on a commencé à parler de la bonne gouvernance, la question de la bonne gouvernance. Quand la question de la bonne gouvernance inclut beaucoup de choses, mm. la justice sociale, la, redistribution, donc il y a beaucoup de choses qui, qui sont dans la bonne gouvernance, la transparence politique et tout. Je pense qu'aujourd'hui, si nos dirigeants prennent conscience de cela et qu'ils euh, euh posent leurs actes, leurs actions dans cette logique de bonne gouvernance, je pense que ça peut minimiser les dégâts. Je ne dirais pas que ça peut euh, écarter tout ce qu'on voit comme, euh, comme, comme des mauvais, mhm. mais quand même, ça peut minimiser les dégâts, ça peut aujourd'hui permettre à la population, d'avoir confiance au gouvernement, d'avoir confiance à leurs actions et de vraiment être euh, très vigilant dans ce qu'ils voient et ce qu'ils euh, ce qu'ils entendent. Donc je, pense que là, c'est la responsabilité du gouvernants, faire en sorte que leurs actions soient vraiment euh, dans les intérêts du peuple. Donc moi, je pense que c'est ça. Maintenant, au niveau de, de la population également, justement à chacun ses responsabilités. Aujourd'hui, euh, je pense que la population doit être très vigilante. C'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on doit, qu'on doit prendre comme source, comme euh, information. Il faudrait aujourd'hui, j'ai vu euh, plus de 20 publications pour dire que le Niger est en, feu. Hmm. Je, vis ça aujourd'hui. Il était censé avoir hmm. une manifestation ici au Niger qui a été interdite hmm. à la dernière minute. Donc, il y, avait des pages et euh, des, groupes de presse qui ont fait des, qui ont fait des publications pour dire qu'au Niger, ça ne va pas. Les, le peuple est sorti, le Niger est en feu et tout. Donc, alors que c'est faux. Il n'y avait pas eu de manifestation ici au Niger, il n'y a pas eu de brûlure et tout. Donc, vous, voyez comment aujourd'hui les gens sont en train de vouloir tirer profit euh, des, des, d'un État ou bien de, euh, des, des avantages qu'offrent et les, les désavantages également qu'offrent les réseaux sociaux. Hmm. Donc c'est une guerre d'information, c'est une guerre de, euh, de, comment on appelle ça de, de, manipulation. Manipulation, justement, c'est le mot que je cherche. Hmm. Donc il faut qu'on soit très attentif par rapport à ça. Toué Boubacar, le 30 janvier a été vraiment sur les réseaux sociaux une journée particulière pour le Niger parce que dans les rues du Niger, en tout cas, tout a l'air calme, tout était calme. Mais sur les réseaux sociaux, on a observé, plusieurs pages, qu'elles soient nigériennes et surtout de l'étranger, ont beaucoup plus publié des informations selon lesquelles les manifestations ont eu lieu le 30 janvier, Niamey, à feu, nanani, nanana. Et pourtant, rien de cela. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve si on continue comme cela euh, Ce que je peux dire, c'est que ce sont des, des agissements que j'ai observés qui sont extrêmement condamnables. Mais j'ai envie de dire que la démocratie a cette particularité de prévoir déjà euh, tous les canaux de communication ou de contestation pour toutes les composantes d'une société. chaque fois qu'on observe des dérives, c'est qu'il y a quelque part un des canaux ou un des canaux qui est bouché. Hmm. Donc c'est important. Ce qui m'amène à, à, vraiment adresser un message à l'endroit de ceux qui ont aujourd'hui euh, la lourde responsabilité de la gestion publique. Il est important qu'ils comprennent que ceux-là qui sont en train de faire euh, euh, le pas vers eux pour vouloir manifester, s'exprimer, les rappeler à l'ordre par rapport à ce qui ne marche pas, par rapport à là où il faut réajuster euh, le tir, par rapport au, à la, au, aux trajectoires où il faut revenir encore sur la bonne voie. J'ai dit, c'est ceux-là qui partagent avec eux euh, l'amour sincère de ce pays-là. Il ne faut pas qu'ils continuent à écouter ceux qui sont à côté d'eux ou ceux qui sont aux alentours d'eux, qui sont plus préoccupés par euh, ce qu'ils veulent préserver, les acquis qu'ils ont, qu'ils veulent préserver, que l'intérêt supérieur de la nation que nous partageons tous. C'est important qu'ils comprennent cela. Et une fois qu'ils auront intégré cela, je suis convaincu que ils verront eux-mêmes. Puisque aujourd'hui, je vous dis, je ne connais pas euh, un citoyen qui serait content juste pour son plaisir de se retrouver à battre le pavé. Non, s'il le fait, c'est que il sait que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en charge d'améliorer ses conditions de vie de tous les jours, qui a pris l'engagement, en tout cas, de le faire. Donc, quand il voit que ce n'est pas ce qui est en train de se faire, il est en droit de vouloir le rappeler aux engagements qu'il a pris. Voilà de quoi il s'agit. Et si nous tous nous comprenons cela, je crois que toutes les dérives dont nous parlions depuis le début jusqu'à aujourd'hui, eh, on va voir que bon, c'est facile de les indiquer. Parce qu'en réalité, eh, comment on appelle ça C'est juste euh, euh, un jeu qui, qui utilisent toujours le terreau qu'il y a là, le terreau surtout de la division. Donc c'est important que ceux qui ont la charge publique, encore une fois, euh, comprennent que la responsabilité première les encombre pour arriver à bout de tout ce fléau-là. Alors, Mosimou Moukela, là, as parlé des, vous avez parlé de la responsabilité des gouvernants, mais il est dans nos traditions, dans nos pratiques ici aussi au Niger que les partis politiques forment leurs militants. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les partis politiques doivent commencer ou bien doivent poursuivre pour ceux et celles qui le font, qui le font déjà La formation des militants au civisme digital, si on peut le dire ainsi. Oui, en fait, c'est pas poursuivre, mais plutôt commencer. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, même la formation idéologique, ça, fait défaut ici au Niger. Je suis désolé, mais c'est la vérité vous, allez voir, vous prenez les, tous les partis politiques, les, les plus de 171 ou 112, là, j'ai oublié le nombre, ça m'a échappé, mais quand même, aucun de ces partis-là ne participe à la formation de ces, ces, membres, de ces militants. Et ça, c'est très c'est très c'est dommage pour pour eux c'est dommage pour nous aussi parce qu'aujourd'hui ça fait partie aussi de leur responsabilité euh, il ne s'agit pas de, de manifester, de marcher. Moi, je pense que c'est un droit le plus absolu dans une démocratie. Il faut laisser aussi les gens manifester leur mécontentement quand ça ne va pas. Mais en même temps, je me pose aussi la question, est-ce que les gens sont à mesure de manifester sans, euh, sans violence, sans, sans brûler les, les biens publics et tout on, voit comment ça se, ça se déroule ici et un peu de la sous-région. où les manifestations ont été autorisées et encadrées, il n'y a jamais eu de débordement. Bon, on va, parler, on va parler des manifestations. Après, là, on reste sur les réseaux sociaux. Oui. OK. Donc, les, les, les, partis politiques aujourd'hui mm. sont vraiment euh, défaillants sur, la, sur, la, cette question, la question des formations de leurs membres dans, euh, sur le plan digital. <laughs> C'est vraiment catastrophique. Mm. Là, moi, je vois, à ma connaissance, hein, je, je n'ai jamais vu un, parti politique qui s'inscrit dans cette logique. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, euh, il, faut, euh, il faut dire la vérité. Moi, je pense que la question des partis politiques aussi, même euh, à revoir ici au Niger. Est-ce qu'il existe même des partis politiques Ça, c'est une autre question qui fera l'objet d'un <laughs> autre, d'un <laughs> Alors, Touré, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, vous êtes acteur politique vous avez probablement des militants. Est-ce que cette démarche de formation des, des, militants, c'est quelque chose que vous entreprenez Parce que vous l'avez dit euh, à, cette antenne aujourd'hui même, qu'il y a certains combats, certains débats, qui nous, certains, certains, certains éléments qui nous échappent ou bien qui nous dépassent carrément. Est-ce qu'on n'a pas trop sous-estimé les réseaux sociaux depuis le début On n'a pas beaucoup pris au sérieux ce qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on est dans cet engrenage-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez vu venir Non, c'est clair que sur les réseaux sociaux, il y a eu, euh, comment je vais dire, euh, on n'a pas su euh, rapidement comprendre la puissance que peuvent être les réseaux sociaux. On avait pris ça à la légère, où c'était un outil facile, disponible, et accessible à tous. Donc, on n'avait pas vu, on n'avait pas perçu rapidement euh, la puissance que les réseaux sociaux renferment en eux. Mais pour revenir à la question des, partis politiques et de la formation, mm. j'ai dit oui, j'entends cela. Euh, certainement, les partis politiques euh, partagent cette responsabilité de la formation de leurs militants. Mais la démocratie, c'est un tout. On ne prend pas une partie et laisser une autre partie. la subvention des partis politiques qui étaient censés être les ressources durables de, de ces, de, de ces, entités-là de la démocratie. Depuis 2014 à aujourd'hui, aucun parti politique n'a bénéficié de cette subvention-là. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas demander aux partis politiques de bénéficier de, de, de financements euh, où on ne sait pas d'où ils proviennent et demander encore ou exiger encore que ces mêmes partis politiques-là soient, entre guillemets, euh, réglementaires ou régulés. Il y a un problème. J'ai dit, chacun doit jouer son rôle dans une démocratie. Il est important. Je suis convaincu que si l'État était en train de jouer son rôle, de reverser, euh, comment on appelle ça, la subvention aux partis politiques, l'État serait en droit de réclamer également des résultats par rapport à la formation. C'est-à-dire aujourd'hui que même la formation, c'est une question de moyens. Tout est une question de moyens. Exactement, parce que tout est une question de moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait une fixation sur euh, les coûts d'État. Mais ce n'est pas parce que, hmm. ce n'est pas parce que aussi qu'il n'y a pas les moyens qu'ils ne sont pas en train de le faire. D'accord. Alors, je disais tantôt que. Mais les moyens permettront d'accentuer l'effet de ces formations. Et là, tu vas me laisser finir ma phrase. <laughs> je disais tantôt que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait une fixation sur les coups d'État parce que l'actualité l'oblige. Mais quand on observe sur les réseaux sociaux, beaucoup de faits euh, illégaux sont appréciés et applaudis Les pleinement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait une fixation sur les coups d'État. L'actualité l'oblige. Quoi cela est dû euh, vraiment, je, ne saurais répondre à votre question. Hmm. Parce que moi, je, pense que euh, ça dépend de qui vous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Mais moi, je pense que je, ne vois pas en tout cas des gens qui applaudissent, par exemple, les, les détournements. Les... Même si, euh, par exemple, il y a, de, il y les gens euh, peuvent essayer de, euh, de justifier ça, mais pas applaudir. Comprenez Moi, je pense que c'est ça aussi. C'est un jeu de mots. Parce qu'aujourd'hui, le, vous prenez un simple exemple. La question de, des 5 milliards ici au Niger. Même hier, j'ai vu quelqu'un qui a, qui a partagé ça hmm. pour en, guise de, de quoi Des crises qu'il y a entre le Niger et le Mali suite à, la sortie médiatique du, ministre euh, des Affaires étrangères nigérien. Donc, pour, pour dire que non, mais quelqu'un qui a détourné des 5 milliards et tout, et donc c'est juste une façon de, euh, de dire que les gens peuvent essayer de justifier, par exemple, les actes, mais pas à pour le dire. Moi, franchement, dans mon cercle euh, sur les réseaux sociaux, je ne vois pas quelqu'un qui applaudit. On peut essayer de justifier ça ou bien mais pas applaudir. D'accord. Euh, justifier, applaudir, quoi qu'il en soit, on voit quand même une adhésion à certains faits euh, qu'on peut juger d'illégal et surtout qu'on ne peut pas accepter dans la vraie vie, mais que sur les réseaux sociaux, les gens arrivent à l'assumer pleinement. Vous, vous en avez déjà rencontré ou pas Non, les réseaux sociaux, moi, à mon avis, ils amplifient les faits de tout ce que vous avez eu à, citer tantôt en termes d'action illégale. Mm. Maintenant, de l'autre côté, euh, quand vous avez euh, la facilité d'être caché derrière un écran, et que euh, vous êtes dans une posture d'anti-système où vous êtes contre tout et tout le monde, c'est facile d'utiliser cette interface-là qui vous permet de vous exprimer librement. Ce n'est rien d'autre que ce que nous tous avons déjà eu dans notre vie privée de s'exprimer librement. Aujourd'hui, nous avons, par le canal des, réseaux sociaux et de l'anonymat que cela peut te, euh, on appelle ça, te donner, de t'exprimer comme tu t'insens sens, comme on le dit, de te lâcher sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, de l'autre côté, euh, quand vous prenez les questions de détournement, mais ce citoyen-là qui est, je ne sais pas, au fin fond du, Niger et qui estime qu'il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du pétrole et que jusqu'à aujourd'hui, lui, il n'a rien vu de, tout cela, mais qui, entend que euh, une tierce personne, détourne des milliards à l'État il serait content que cet argent-là qu'il n'a pas eu, au moins que quelqu'un en a profité. <laughs> Voilà de quoi il s'agit. Et on revient toujours à la question de la gouvernance. <laughs> tu vois, nous-mêmes, on en rigole. <laughs> Certes, l'arrivée des réseaux sociaux a démocratisé la prise de parole. Grâce aux réseaux sociaux, s'informer et informer devient alors une pratique à la portée de tous. Conclusion, on constate beaucoup de dérives. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené ce soir à poser la question suivante. Comment les réseaux sociaux légitiment-ils les actions illégale. Chers invités, nous sommes malheureusement à la fin du forum de ce soir. Mais avant de clôturer, bah, vous avez quelque chose à ajouter. On appelle ça dans notre jargon le tour de table. Je commence par euh, Mossi. Je pense qu'on a pratiquement tout dit. Ok. Euh, mais euh, tout ce que je peux dire, c'est vraiment de. C'est juste un appel de. Euh, un cri de cœur à l'égard des gouvernants. C'est surtout. Moi, je tiens beaucoup à la, question de la bonne gouvernance, à la question de la démocratie et tout. Euh, précisément à la question de justice sociale, parce que vraiment, je pense que c'est la base, la justice sociale. Euh, j'appelle nos, nos, gouvernants à faire vraiment preuve de responsabilité pour vraiment s'inscrire leur logique, leurs actions dans, dans cette euh, aspiration de, peuple. En tout cas, les peuples attendent une justice vraiment pour tous, une justice qui sanctionne tout le monde, une justice qui qui, n'a pas besoin de savoir qui tu es, euh, qui est ton père, euh, combien as-tu. Donc, une justice en tout cas pour tous et applicable à tous. Donc, et, cela, et cela aura un impact sur nos discussions sur les réseaux sociaux. Absolument. Monsieur Touré, qu'est-ce que vous avez à dire pour clore ce débat euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi un appel aux autorités hmm. pour qu'ils comprennent que quand on gouverne, on ne gouverne pas pour soi, on gouverne pour les autres. Il est important d'écouter son peuple. Il est important d'adopter une posture pédagogique pour expliquer quand il faut expliquer. Et il est important également de sévir quand il faut sévir. Tout cela pour vous dire que euh, aujourd'hui, j'en appelle vraiment euh, aux autorités à prendre le bras le corps euh, cette dérive-là sur les réseaux sociaux. Il y a une loi qui a été déjà élaborée pour cela. Il faut l'appliquer comme cela se doit et non à la tête du client. Merci. Amis auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin du forum de ce soir, dans l'espoir que ces essences vous permettront de comprendre la situation actuelle que nous vivons en ces moments d'insécurité et de coup d'État. Je vous appelle à la prudence, prenez soin de vous. La technique a été assurée par Amina Hassan, la vidéo a été gérée par Ayuba Mustafa. D'ici là, portez-vous bien, bye bye et bonne soirée.